voilà, chers amis, nous vous remercions, les amis de la presse. Euh, l'objet de notre euh, rencontre de cet après-midi, c'est pour partager avec vous un certain nombre d'informations liées à une situation euh, qui prévaut au niveau du département de Bombay. Ce point de presse ici est initié par les conseils départementaux que nous sommes. Il s'agit de Maître Patsen, maire de, de de M. Moudou Senfal, de Ndangalma, de M. Hassan Ndiaye de Lambaye, du maire Babacar Ndiaye, maire de, de, de Ngorom, de Mohamed Abdoulaye Conté et Djib Tchao va nous rejoindre, lui aussi maire de, de en tant que conseiller départemental. Il y a une situation particulière qui prévaut au niveau du département de Bambay et qui nous pousse à devoir en tout cas nous prononcer pour éclairer l'opinion. Sur ce, nous allons laisser à notre collègue pour faire en tout cas euh, l'état des lieux. Je vous remercie. Euh, merci M. Conté. Euh, bonsoir à tout le monde. Je on vous présenter la situation. moi, mon nom c'est Maurice Saint-Fal, président du mouvement, de, le mouvement départemental Euh, déjà en décembre 2016, on avait donc euh, voté un projet au niveau du conseil départemental de 15 millions de francs donc destiné aux femmes. Lors donc du vote de ce projet, les débats étaient véritablement très houleux parce que certains pensaient que c'était des fonds politiques. Néanmoins, la majorité des, conseillers avaient voté ce projet. Et au finish, en 2021, on s'est rendu compte que, véritablement, les fonds ont été détournés. Maintenant, détournés par qui Par le conseil départemental incrimine dans la structure financière, en l'occurrence le crédit mutuel. 15 millions qu'on devait donner aux femmes sous forme de crédit. Normalement, ça devait rapporter. malheureusement, au finish, on s'est retrouvé avec 5 917 400 francs. Là, on s'est posé la question où est passé le reste de l'argent. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, on ne peut pas nous donner en tout cas des réponses très claires. En tant que conseiller, on a voulu vraiment chercher à savoir plus, mais malheureusement, on ne nous a rien donné comme réponse. Maintenant, ils sont revenus. Eh la présidente du conseil départemental est revenue donc le 16 juillet pour nous présenter encore un autre projet. On dit que le reste de l'argent, environ 6 millions, on nous a demandé donc le Conseil nous demande donc de voter un autre projet pour donner ça encore aux femmes, principalement aux associations de la joie, d'épargne et des crédits communément appelées avec Donc, après de longues discussions, moi-même et les autres membres de ce collectif, on n'avait pas voté ce projet. Parce qu'on avait dit effectivement que ce sont des fonds publics. On ne doit pas utiliser des fonds publics pour faire une campagne même si on est de l'opposition, on doit le faire. Même si on est du pouvoir aussi, on ne on doit pas le faire. Donc nous, en tant que conseiller, on avait fustigé ce projet. Et aujourd'hui, l'histoire nous l'a donné nous. Ça veut dire qu'on a vu, on n'a pas fait le distinguo entre la tierce personne qui distribue en tout cas cet argent aux populations et la présence du conseil de parlement. Donc ce distinguo, est important. C'est de l'argent public, des fonds publics. On va distribuer à tort et à travers à l'approche des élections locales pour véritablement favoriser un candidat ou bien une candidate. Donc on s'est dit qu'il faut arrêter. Il faut interpeller le conseil départemental, mais aussi il faut interpeller l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet de Pour véritablement revoir cette situation illégale, anormale, qui sévit actuellement au niveau du conseil départemental nous avons vu une tierce personne, en l'occurrence Madame Aydembo, qui fait le tour du département, qui n'est pas présente du conseil départemental, qui n'est même pas conseillère départementale actuellement. Lorsqu'on a essayé de la démarche de ses fonctions. Moi, j'étais. On était tous contre ce projet. Tout le monde s'en rappelle. Donc aujourd'hui, elle n'est plus, même, elle n'est plus conseil départemental, c'est elle-même qui distribue les fonds du conseil départemental. Donc aujourd'hui, on a tenu de venir ici. On était obligé en droit de venir pour éclaircir l'opinion publique pour dire non à euh, cette démarche, qui n'est pas une démarche républicaine. Parce que nous, on est des républicains, hein. on n'est pas là pour tel parti ou tel parti. Nous tous qui sommes là, on a un comportement républicain. Un comportement républicain. C'est-à-dire, on s'est dit que voilà, l'argent, c'est des fonds destinés aux populations, des fonds publics, on ne doit pas l'utiliser pour un candidat ou un une quand quelqu'un fait le tour département avec une coalition de partis, ou bien avec en tout cas une coalition de partis, et qui distribue de l'argent du conseil départemental en son nom, on doit dire C'est ça l'objet donc de notre rencontre. Et véritablement, on doit aussi se poser la question au niveau euh, euh, du statut juridique de de ces agents des, associations villageoises, qui n'ont pas de statut juridique, qui reçoivent cet argent, l'argent public. Il y a également le fait que la de Développement, et en collaboration avec le conseil départemental, la présidente du conseil départemental était ancienne présidente de la de Développement. Ça veut dire que, quelque part, président du compte département qui soit voté à ses conseils de l'argent qu'elle donne à une, à une association donc, qu'elle a dirigée dans le, dans le passé. Donc là aussi, c'est une petite illégalité qui montre, comme on le dit en Europe, c'est de l'époque. C'est de l'époque, véritable c'est de l'époque, comme on le dit en Europe. Donc on s'est dit que on doit faire ce point de presse pour vraiment euh, interpeller, interpeller interpeller le conseil départemental, la présence du conseil départemental, qui à chaque fois n'est pas en phase avec nous hein, depuis, depuis quelques années. Parce que même pour le social, le volet social, des fois on distribue donc ça au niveau du département sans le consentement ou bien euh, le consentement en droit des conseillers nous Donc, c'est totalement des fonds qui sont distribués à tort et à travers, à travers mais qui ne sont pas véritablement distribués dans les règles de, l'art. Donc, voilà donc ce qu'on pouvait présenter pour camper le, débat, euh, pour en tout cas informer l'opinion par rapport à cette pratique qui n'est pas une pratique républicaine. Je vous remercie.

kon ñu ñu tënk rek ñu waxoon leen ci langue de Molière tënk ko ci làkk ko ci barma donc man maa ngi tudd Modou Sène Fall nekk président mouvement départemental and dafa dëkk bokk donc ci collectif yi nga xamante ni ay conseils départementaux ñoom ñoo ko taxawal pour leeral askan wi ci li nga xamante ni moom dox ci conseil départemental Bamba. pour rappel ñu fàttali ne ci décembre 2016 la ñu botaloo woon benn projet boo xamante ni dañ ko jëmaloon ci jigéen ñi mu nekkoon fukki millions ak juróom ñu waroon ko jox jigéen ñi mu nekk xaalis boo xamante ni dañ ko waroon a lebal waroon a juraat xaalis

kan mooy sa responsable politique loolu nag moom lañ njëkk a rafetlu ñaawlu ci liggéey bi parce que dañu bu ñu koy voté dañu waxoon ne pour jàppale jigéen ñi féminisation des femmes jigéen ñi am ay petit crédit pour mën a liggéey mais malheureusement ñu ne ba ci ci biir seetlu lañ ne xaalis bi dafa mujj euh, fukki million juróom yi normalement crédit bi dooloon na ci xaalis aussi ndax da ci waroon dolli 15 millions muy 30 millions

li gën a grave ñu waxee ci nekk ci lijjanti xaalis boobu fan la dugg ak fu ñu ko war a lijjanti ñu jëlaat benn projet dañuy jëlaat juróom-benn million ci 2016 bi ci 2021 bi le 16 juillet ñu woo conseil départemental ñu ne dañuy xaalis dañuy jëlaat xaalis bu toll noonu lu toll ci juróom-benn million def ko ci diiru ñetti at parce que projet bi dañ ko tëgg pour mu durer ñetti at ñu ne xaalis boobu dañ koy jël jox ko

ñu waxee war nañu jëf suñu jëfee war nañu fexe ay pexe yoo xam ne moo tax loolu tàkk bu loolu tàkk nag dañ ci interpellé d' président du conseil départemental madame Fatou Sène moom ci boobam mu mbir mi mais aussi ñu ngi interpellé le préfet de Bambey en tant qu'autorité administrative ñu xoolaat li nga xamante ni mooy xaalisu agent public xaalisu conseil départemental

ba mu jaajaat parce que amoon nañu 39 voix yoo xam ne sur 60 yoo xam ne ñoom ñoo voté woon 6 millions yi pour jox ko avec kon statut juridique bi nga xam ne moom la avec war a am te am ñu leen di encadré ONG bu fi nekk boo xam ne moom mooy encadré avec département suñu joxaat jox ko ñooñu kon peut-être mën naa am sax jafe-jafe <coughs> kon joxe ni ñu ko joxee nii mais ni ñu joxee nii lañ ne lañ war a seetaat jekkul rafetlu su ko kenn defoon aussi dañ ko war a wax xam maître seet ku xam maître nga ko ku xam ñeneen ak ñeneen ku xam Conté ak ak docteur Assane excusez-moi docteur Assane di nga xam ne lépp loo xam ne injustice la ñoom li ñuy xeex la ci conseil département parce que conseil département ñun lu ñu suñu bopp askan wi moo ñu fay kon bu gisee loo xam ne jaaduwul loo xam ne ëllëg su continuer mën a tax d'huile mën a yàq lu bëri war nañ ko mën a wax waxtaanee mais wax siiwal ko ba ñi ko war a yëg ko yëg ko ba ñi ko war a saafara ko pour que justice équité am pour que démocratie sociale am loolu lañ amoon lu ñuy jàllale ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf. gay yi bu ñu gars yi bu ñu bu ñu permettre ah. pardon. présentation bi wax nañ ko légui ci français euh monsieur Conté nga am ni ci commune Bambey nekk conseiller départemental. Euh, maître Sen, maire de Ndondol Conseil conseiller départemental moi-même Moudou Senfal, euh, président de commission du conseil départemental de la commune Ndangal docteur Assane Ndiaye euh, responsable politique nekk commune conseil départemental de la commune Lambaye Avec l'avocat Ndiaye donc responsable politique aussi maire de Ngoko ñoom ñoo fi teew am na yenn conseil yoo xamante ni ñu ngi ci collectif bi parce que waxtaan nañu ñoom ñu wax léegi que maire de Fann ñu ngi ñëw bokk na ci ñi nga xam ne aussi bokk nañ ci combat bi nga xamante ni combat citoyen pour que ñu fexe ba euh, doxalin bi nga xam ne ñu ngi ko gis ci joxe bi ñu joxe xaalis ak façon bi ñu koy joxe te mën ko jaarale ci yenn canaux joxalin boobu dagg loolu mooy suñu ndaje loolu mooy suñu waxtaan ñu ngi sant bu baax s'il vous plaît, parce que nous sommes cinq conseillers, nous On vous demander, cela ne dérange pas, parce que point de presse, nous Vous voulez individuellement, qu'elle nous qu'elle nous avons avant que Maître Sen Non, vous, c'est Vous faites un point de presse. Adama, écoutez, ce truc là, mon Google, quoi. l'unité, moi, je point de presse, mais pour vous donner plus d'informations afin que vous me rendre compte de manière plus exhaustive de la situation moi, moi me me alors. Ce n'est pas autre chose je sais faire la différence je suis pas journaliste mais xam naa formule oui mais ça vous dérange à ce point voilà maître ça les dérange à ce point maître nous vous donnons la parole pour nous. Voilà, donc euh, je voulais d'abord euh, remercier mes collègues euh, membres du conseil départemental, mais remercier également la presse de l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui, revenir un tout petit peu sur la présentation qui a été faite par mon collègue Modou Senfal par rapport à la situation au niveau du conseil départemental avec des financements que tout le monde a vu aujourd'hui qui sont en train donc euh, de se faire au niveau du département et pour lesquels tous nous nous, nous interrogeons. Je voulais donc dire d'emblée qu'à l'analyse des faits, sur lesquels je ne reviendrai pas d'ailleurs parce que ça a été fait de façon exhaustive et de façon très claire avec des chiffres, mais également avec des dates précises. 2016, 2021. Donc à l'analyse des faits, il ressort clairement que 2016, il y a eu un financement qui est venu du conseil départemental et qui a donc intéressé des structures financières avec des statuts juridiques qu'on ne connaît pas. On était à la veille de l'élection législative. Aujourd'hui, en 2021, il y a également un autre montant qui a été décaissé par le conseil départemental pour faire des financements à travers également des structures. Et on est à la veille de des élections locales. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire aujourd'hui que nous nous posons un certain nombre de questions par rapport à la transparence dans, dans la gestion de ces fonds. Et cette question de transparence saute à l'œil nu. Aujourd'hui, ce que Modoussen a dit tout à l'heure par rapport à la relation des faits, me montre clairement qu'aujourd'hui, la présidente du conseil départemental de Bambay a pris la responsabilité sur elle-même de prendre des fonds publics, des deniers publics et de leur donner une orientation à caractère politique ou politicien. Ça c'est clair. On s'est interrogé sur le statut juridique de ces structures de financement. Aujourd'hui, on n'a aucune idée en tant que conseil départemental sur le véritable statut juridique de ces structures. On nous dit avec, on nous dit calebasse de développement. Ça, c'est important. Et nous avons l'obligation, nous avons le devoir de savoir, parce que nous sommes des représentants de la collectivité territoriale qui est le département de Bambé. Et nous avons le devoir de rendre compte également à nos concitoyens. Mais jusqu'à ce jour, aucun des conseils ici présents, et même d'autres conseils qui ont peut-être voté ces crédits-là, ne sont pas en mesure de vous dire comment ces fonds ont été gérés. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, on l'a dit tout à l'heure, c'est la question du conflit d'intérêts. On ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'un membre du conseil départemental puisse gérer une structure financière et que cette structure financière reçoive des fonds publics de la part du conseil départemental. Ça, ça laisse apparaître nettement un conflit d'intérêt. Ce conflit d'intérêt également est inadmissible dans le cadre d'une bonne gestion des ressources publiques. Ça ne correspond nullement avec les règles de transparence et de bonne gouvernance qui doivent être notre credo de tous les jours en tant qu'élus locaux. Je pense que ça également, c'est un autre problème. Du coup, on se retrouve avec deux situations juridiques qu'il faudra éclairer pour les populations du département de Bambay parce que c'est leur argent. Et je tiens à rappeler que le conseil départemental n'a pas de ressources propres. Je tiens à rappeler que le conseil départemental est un démembrement de l'État, un prolongement de l'État. Je tiens à rappeler que les fonds que le conseil départemental reçoit sont de deux natures. C'est des fonds de dotation, c'est des fonds d'aide aux collectivités territoriales appelés FEC. Donc c'est des deniers publics puis et deux, même s'il s'agissait de fonds publics propres, de ressources propres, cela n'enlèverait en rien le caractère de données public à ces fonds-là, parce qu'il s'agit d'un démembrement de l'État. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que voilà une présidente de conseil départemental qui a pris la responsabilité sur elle de le faire en 2017, après les fonds votés en 2016, de les utiliser à des fins politiciennes, de le refaire également en 2021 pour les utiliser à des fins policières, à la veille et de l'élection législative et des élections locales, ce qui est inadmissible. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il y a ici aujourd'hui un détournement des données publics qui est apparent parce que c'est des fonds publics et ces fonds, on les a dépensés, on les a donnés à des personnes avec des procédures qui ne sont pas du tout conformes aux procédures normales. Ça, c'est un premier problème. L'autre, il y a également des situations de corruption. Je vous ai dit, nous sommes à la veille d'élection. Et aujourd'hui, il est clair et constant, et nous l'affirmons fort, parce que moi, à Londres, j'ai la preuve, j'ai la preuve irréfutable, qu'effectivement, une enveloppe de 500 000 francs a été donnée, remise à des femmes qui appartiennent au parti de Mme Aïdemoy. Ça, je suis formé j'ai les vidéos, j'ai les preuves. Ce que je dis là, c'est factuel on a les vidéos. C'est au grand jour que cette enveloppe a été remise. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas aujourd'hui si cette structure à qui on a remis l'argent a une existence juridique. Mais tout ce que nous savons, c'est que c'est des femmes politiciennes appartenant à ce parti qui ont reçu ces fonds au vu aussi de tout le monde. En tout cas, moi, à London, je l'ai vu. Et j'ai les preuves. Et je sais que c'est ce qui est valable à Lambaye, c'est ce qui est valable à Ndangalma, c'est ce qui est valable un peu partout où cette délégation est passée. Et j'estime que si véritablement on doit aider les populations du département de Bambe, avec les fonds qui leur appartiennent, ce n'est pas cette procédure, ce n'est pas cette voie qu'il fallait emprunter. Nous sommes des conseils départementaux, nous résidons dans ces communes. Le minimum est que nous puissions avoir des informations par rapport à ça. Mais nada. Mais nous restons formels. Celles qui reçoivent ces fonds ou ceux qui reçoivent ces fonds, ce sont des militants politiques qui appartiennent à ce parti-là. Ça, nous avons la preuve formelle. Moi, j'ai posé une fois la question euh, en conseil en disant nous voulons la liste des bénéficiaires. Parce que moi, je suis à je connais des gens qui en ont bénéficié, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux que je connais et qui ont bénéficié de ces fonds, ils appartiennent à ce parti-là. Or, c'est des deniers publics. Donc, il y a de la corruption. Nous sommes à la veille d'une élection. La corruption, c'est quoi Mais c'est l'achat de conscience. Aujourd'hui, il y a un électorat qui est là, qu'il faut récupérer. Il faut récupérer cet électorat avec quoi Avec des deniers publics qui appartiennent au conseil départemental. C'est de la corruption. Le conflit d'intérêts, je l'ai dit, ça ne souffre d'aucune contestation. Pour la bonne et simple raison que vous ne pouvez pas être membre du conseil départemental, diriger une structure et que cette structure puisse bénéficier de ces fonds-là. Ça même la raison. L'éthique ne, ne l'admet pas. La morale ne l'admet pas. Donc il y a un conflit d'intérêts qui est là. Pour dire quoi au finish, en termes de résolution finale, ce qu'on veut aujourd'hui, d'abord, premièrement, nous avons décidé avec ce collectif, composé de ces conseillers qui sont là et peut-être d'autres conseillers qui sont absents, de saisir l'OFNA. Parce que nous avons des faits de détournement de deniers publics, nous avons des faits de corruption, mais il faut aujourd'hui que l'OFNA qui a été mise en place par le président de la République et qui lutte contre la corruption et autres faits assimilés puissent au moins permettre aux Bambéoises et aux Bambéois de savoir ce qui s'est réellement passé avec cette manne financière aujourd'hui d'une valeur à peu près de 10 millions ou 20 millions. Où sont passés ces fonds-là Il faut qu'on nous le dise. Et là, dans cette résolution, nous disons que cette plainte sera déposée et nous allons mandater des gens, des conseillers ici, pour non seulement rédiger la plainte en bonne et forme, mais la déposer auprès de l'OFNA. Parce que nous nous ne pouvons plus laisser cette situation perdurer. Deuxième axe, nous demandons solennellement à l'autorité administrative qui se trouve être Madame le préfet du département de Bambé et qui représente l'État auprès du conseil départemental de bien vouloir aujourd'hui prendre une décision ou bien prendre toutes les mesures utiles pour mettre un terme immédiatement à cette situation d'affaires. Parce qu'ils sont en train de faire le tour du département pour distribuer des enveloppes, des deniers qui appartiennent aux Bambayois et aux Bambayois, mais avec des critères politiciens dans le choix. On estime que c'est inadmissible. Et comme le préfet du département de Bambay est là, il est le garant de l'ordre public. L'ordre public financier est menacé à Bambay avec Madame la Présidente du Conseil départemental qui est en train de donner une orientation politicienne à ces fonds, nous demandons très respectueusement à Madame le Préfet du département de Bambay et très solennellement de prendre toutes les mesures que la loi lui offre, et la loi lui offre beaucoup de pouvoir dans ce sens, de mettre un terme immédiatement à cette situation de Et troisième fait, troisième fait, je l'ai dit tout à l'heure, on va mandater un comité qui va rédiger cette plainte et qui va la déposer. Et nous nous engageons, je dis bien, nous nous engageons, nous, conseillons de ce collectif, à poursuivre cette affaire jusqu'à son terme parce que nous sommes des conseillers épris de justice, mais également des conseillers qui se soucient de la transparence et de la bonne gouvernance et de la bonne gestion par rapport à nos fonds. Parce que demain, le conseil départemental, la responsabilité est collégiale pour le conseil départemental. Et nous serons tous comptables de cette gestion-là. Mais fort heureusement, nous avons pris la responsabilité sur nous-mêmes, nous avons pris la décision, nous avons pris notre engagement de dénoncer ces situations de détournement, de dénoncer ces situations de corruption, mais également de dénoncer ces situations de conflit d'intérêts. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de porter cette affaire auprès de l'OFNAC, avec toutes les conséquences que cela puisse comporter. Et même si cela, le, si cela nécessite, le requiert, nous allons encore aller plus loin pour, dire quoi Demander à M. le Président de la République d'envoyer ici à Bambay au niveau du Conseil départemental l'inspection générale d'État ou bien la Cour des comptes. Parce que nous ne pouvons plus quand même attendre 2016-2021 près de 20 millions de francs CFA pour soi-disant faire du social alors que ce n'est absolument cela n'en est absolument rien du tout. Je pense que cela mérite quand même d'être souligné pour que tout Bambaye sache ce qui se passe exactement. Voilà, mesdames et messieurs, donc euh, ce que nous voulions dire en termes d'analyse juridique de cette situation, mais également les, les, la résolution que nous avons nous avons décidé de prendre aujourd'hui, sur ces trois points-là, la mise en place de ce comité qui va rédiger et déposer la plainte, un dépôt de plainte au niveau de l'OFNAC pour éclairer sur les situations de corruption, de détournement des publics et de conflits d'intérêts. Mais également, nous demandons solennellement à l'autorité administrative, qui est Madame le Préfet, de réagir immédiatement pour mettre un terme à cette distribution politicienne des fonds publics qui nous appartiennent et qui appartiennent à tous les banques. Voilà ce que je vous dis. la possibilité aussi de poser des questions. vous osez Oui, on va poser ne Plus plus Mais on est, on est hein on est Voilà, donc, voilà, donne kon ma collègue conseil yi nga ñoo fi conseil départementaux ci conseil départemental bu Bambey te askan wi jox ñu seen kàddu ci Bambey presse bi nga qui ont dañ leen pour ñëw fekk si ndaje mi ñuy def dama bëggoon rek tënk ci gàtt li nga collègue Modou Sène Fall wax la ci relation des faits li conseil départemental bu Bambey lan dañu gis ci yoon en 2016 et en 2021 conseil départemental du Bambey voté na ay crédit yo xamee que ci budget conseil départemental du Bambey ñu mën ko xayma ci environ ñaar millions pour lan pour dimbalee ko wa Bambey mo xam ay jigéen yu ci ay groupement mo xam leneen ak leneen mais lolu ñun wax nako amon nañ ci position position bobu ñu ci amoon tey dafa am lu ci baisse lo xam ni dañ ko gis moy lan moy fond yooyu bi ñu koy décaissé ak fañu koy dugal amna leunt leunt ci ñun ci procédure bi ñu waroon jaar déjà institution yi recevoir fonds yoyu ñun xamuñu seen existence juridique xamuñu nan la ñu créer xamuñu nan la fonctionner xamuñu sax ndax seen choix obéir na à des choix qui respectent les procédures légales yi nga xamné mo moo nekk xamuñu ko donc ñu ci poser wu ay questions mu nekk ay leunt leunt ci ñun ñaarel bi nemmeeku nañu.

mais meeting politique la ñu andi fa xaalisu état andi fa xaalisu conseil départemental kon ci jàngat bu ñu analyser lolu dañuy gis ne benn benn ci leunt yi ñu wax ne que structure yoyu jot bi amuñu ci que ci ci fait conseil départemental jiite na kuréel boobu nga xam mom moy recevoir xaliss boobu moy calebasse de développement lolou nak su fekkee amna ñun dañuy jàpp ne dafa am lu ñuy wax conflit d'intérêt parce que mëno nek juge et partie te japp naa ne tey bu ñuy génne conseil départemental diko jox ben structure war na am ay procédure loolu la dama ñaareel bi dama rappelé léegi ci tubaab ne conseil départemental amul ressources propre conseil départemental xaliss bi muy jox fonds de dotation bu ko état di jox la

te plainte boobu bu ko comité bi rédigé dañ koy dem jébbal ofnat bi nga xamné tay mo fi nek di saytu lepp luy corruption ak fait assumé ci réew parce que transparence ak bonne gouvernance la donc kon nañu japp né fi buñu fi jógee danañu xaatim ben plainte jébbal ko ofnat pour que dañu bëgg lii leer ñaarel bi ñuy wo ki nga xamné moy madame le préfet du département de Bambey te mu am ay sañ-sañ yu ko yoon may ci wàllu décentralisation liggante bi war a am collectivité décentralisée ak collectivité déconcentrée pour tey lii nga xam ne ñu ngi koy gis ci département Bambey ñuy jël conseil départemental di ko jox ay militants politiques te ñu voté ko ci conseil départemental mu dakkal ko dans les mu dakkal ko immédiatement jël décision dakkal ko parce que loolu mënul continuer kon loolu mooy ñaareelu résolution bi nga xam ne jël nañ ko gannaaw plainte bi nga xam ne dañu ko war a déposer pour que ñu leeral askanu Bambey xaalis ñañu ko jox ñooy kan nan lañ leen créer ñañu ko jox ndax procédures yi respecté nañ ko ba ñu leen ko joxee ñoom ñañu ko dem di séddale ne ay groupement lañ ndax ñooñu ñoom ñoo ko yelloo ñan lañu fu ñu bokk ak nan lañ leen ko joxe loolu defe naa ne dañu bëgg ñu leeral ko te dañuy wax ne sax su jaree ñu weesu OFNAC danañ ko weesu parce que suñu jógee ci OFNAC danañu apprécier la situation def évaluation bu ñu defee suivi def évaluation danañu xalaat sax ëllëg. Nous saisir le président de la République pour que nous ayons les corps de contrôle au niveau de Bambay, en l'occurrence l'inspection générale d'État mais également la Cour des comptes parce que nous mii jàpp naa ne parce que waa Bambey mérito wuñ ko de responsabilité en tant que membre du conseil départemental qui dañu bëgg ëllëg ñu parce que 2016 à la veille de l'élection législative, 2021 à la veille des élections locales nous ne plus jamais cela